mais d'abord euh, ni ma ko mën a waxee d'abord tey jii bu ñu jékkee ne la yow bokkoo sama plan coach wax la loolu c'est pas facile mais li ma lay dénk mooy nga gën a yokk effort gën a doubler d'effort parce que aussi mun na la bañ a boole si plan am à la dernière minute la ça peut aussi mun na la bañ a boole si si si système am wala si planning am benn jour gaañu amul choix mu indi la mais pour man yooyu yëpp aussi c'est des risques bu la entraîneur waxee loolu pour man. Euh, jéemal xool beneen équipe bu fekkee dala soxla nga jéem a dem foofu pour mën a compétir pour am temps de jeu.

inquiétez-vous parce que Taïdini, quand on voit que le groupe de performance vous paraît beaucoup aussi nous ça entraîné à si deuxième groupe qui le loft les indésirables si avons une à lay entraîner laprès midi donc je pense que c'est inquiétant je pense que c'est la solution pour moi. la meilleure solution Moi, mu quitter Paris aller dans un club pour ramener que euh, ñooñu bëgg nañ ko désiré nañ ko te bëgg temps de jeu par exemple je prends l'exemple d'Everton, Everton Everton parce que peut être actuellement ça coince entre Paris et Everton un club qui qui trouvé accord mais je pense que Idrissa c'est la meilleure solution pression pour lui Moi qui quitte Paris dem dina ne club boo xam ne dina fa am temps de jeu pour être compétitif avant le le mondial. man je dis que jour li ma lay conseiller mooy nga compétir parce que compétition dafa am solo si jour euh, si toutefois que am nga occasion yi wala si toutefois que am équipe yu lay sollicité man dama lay wax nga dem compétir moo gën nga toog bañ compétir parce que non seulement compétir euh, doo am performance te beau du terrain bi sa valeur day gën a donc bon, munee am chance dem sa beneen équipe boo xam ne mun nga fa compétir man je dis que c'est mieux de faire ça et bon, il y a nationale di nga mën a gën montrer say temps gën a mën a prouver. cas c'est pratiquement le même cas que que que que que Gana Abdou Diallo depuis début de saison ba à mon amul amul temps de jeu à à Paris et mon tamit il est désiré par certains clubs et que tey est la meilleure solution pour moi moi je quitter d'un d'un bel club en plus soo joue comme défenseur central Paris lui il le tour pour récupérer le défenseur central de l'Inter Skriniar donc ça veut dire qu'il ne compte pas sur lui parce qu'il donne compte pas sur si défenseur central et que tey est la meilleure solution pour moi c'est la même chose que que Ghana je mu quitter Paris d'un bel club il est désiré club le club sauf ko su fa temps de jeu pour être compétitif avant le le mondial. Je pense que Kao Saliou est inquiétant que Kao Savali. Savali, il est avec euh, son club Betis Séville et qu'il il joue s'il est apte s'il n'est pas blessé il jouer jouer mais tandis que Saliou Saliou Taïdini, je pense que c'est une euh, situation vraie énigme parce que Taïdini, il n'a pas de club kenn xamagul ndax fii fin de mercato bi dina signé bien que après fin mercato bi dans n'importe quel club parce que c'est un jour libre et que tey je pense que Karl moo gën inquiétant le joueur qu'on disait que le meilleur latéral gauche du tournoi de la dernière Coupe d'Afrique et que tey jii dans une situation boo xam situation critique situation boo il est sans club amul benn club signé depuis le début de la saison je pense que Karl moo gën inquiétant que K.O. Savali, parce que Savali, tout le monde sait que c'est euh, Kao blessure. Montage il n'est pas, il, joue pas, mais s'il est apte à 100%, il est le titulaire de, du flanc droit de, du petit Séville. Et donc, je pense que K.O. où Saliou, c'est inquiétant actuellement. Euh, tu sais que, je sais que, tu sais que, tu sais que, tu jour yëpp du ñu du ñëpp ñooy ñëwaat waat ko comme Coupe d'Afrique lañ génne c'est sûr que Aliou Cissé dina am ay changement mais aussi tamit nañu yaakaar né ak changement bu munte am mënul nekk changement bu bari c'est sûr que dinañ joxaat ay deux à trois jours yo xamné ñu jël seen chance mais je souhaite que jour xalé yoy ngay wax ñom ñu bok ci ñoñu mais aussi tamit c'est pas question que dañ ko pour seen club rek mais ñu pon ko prouver en équipe nationale comme ni ma lay wax j'ai en équipe nationale à jouer ce club c'est totalement différent mais c'est toujours bien aussi des jeunes joueurs yoo xam ne ñu ngi wane seen bopp te ñii ñu ngi fi nekkoon te actuellement nekkuñu compétiruñu c'est important tamit nga jox ñu ñeneen seen chance pour mën a xam li ngay indi. ci dafa am ñaari ñaari côté je pense am na benn côté boo xam ne que. On sait qu'on a vu si grande compétition que ce soit les dernières Coupes du Monde, les dernières Coupes d'Afrique, des joueurs qui ont explosé, C'est une révélation tournoi. Et que ça peut se passer avec certains joueurs qui ont émergé comme euh, Nicolas Jackson, comme euh, Eliman Ndiaye. Je pense que ça donne une surprise comme euh, Nampalis nous donne une surprise dernière dernière mais d'un côté mm, joueurs joueurs xamné ils n'ont pas encore euh, l'esprit de la haute compétition comme Cannes, comme Coupe du Monde parce que nous avons soo jëlee Samuel Jackson euh, euh, Iliman Ndiaye Nous avons kenn joué aussi, Jacob c'est la même chose kenn joue aussi une grande compétition comme la Cannes ou bien la Coupe du Monde ça peut être un risque Aliou Waller Waller, et qu'ils passent à côté et ça peut ça peut être dangereux pour pour la suite pour la suite de leur carrière mais comme je le connais je pense qu'il y a un certain risque. peut-être que na si jël deux mais nous on que ce qui est sûr que suñu que nous doon des cadres de l'équipe ils seront en arrière-plan ils vont euh, être des remplaçants peut-être qu'ils am tout le temps de jeu wala ñu wala ñu bañ euh, de temps joué pendant pendant la compétition et donc maintenant Aliou c'est lui le coach c'est lui le principal responsabilités avec sentir ah, en plus il a la palette large Taïgénie, il a 26 joueurs donc je pense que euh, mën deux ou trois ils n'ont pas encore de temps de jeu avec l'équipe nationale il va les essayer peut-être avec il y yaakaar amna xalaat pour les deux fenêtres FIFA match amicaux yi a joué au mois de septembre en Autriche peut-être que nous na si profité pour jéem am une idée précise une idée exacte si joueurs yooyu yoo ils peuvent être une des surprises de la coupe du monde une des surprises de la liste de de mais il ne faut pas trop bouleverser le groupe parce qu'il a un groupe avec qui il vit depuis pas mal de temps ñoo xam il a des certitudes à ñoom et que tey jii nii les euh, joueurs c'est inquiétant mais espérons que cette semaine là la dernière semaine du mercato ñoom ñëpp qui trouve des clubs qui xam en dañu temps de jeu pour être compétitifs avant le le mondial. bul fàtte dafa am parce que aussi tamit xam équipe nationale booy indi tamit da ngay indi joueurs yi nga xam ne ñoom nga gën a xam joueurs yi nga xam ne nga essayé si match yi ñu joué aussi ça c'est important parce que aussi c'est bien beau indi yeneen xale yi aussi ñu ñëw équipe nationale bi parce que ñu ngi dox club mais c'est un club lañ mais est ce que ñu ngi au niveau de l'équipe nationale donc pour moi aussi c'est c'est un cadre très difficile parce que aussi football dafa nekk loo xam ne ñi nga xamné nga am habitude jouer ñi nga gëna wolu ñom ngay gëna mëna jël yenn risque pour dugal leen ça veut néwuma ndëk néew dañ wara fermer porte comme jeune yi nga xamné ñu ngi dox nañ leen indi ak ñi fi nek ñu ménager leen mais quand même il faut que aussi ñu am leen sur les matchs amicaux pour xol lan lañ mën aussi parce que jouer sa club ak équipe nationale c'est totalement différent si match amicaux yi si ngay mun a xam li nga bëgg aussi tamit match amicaux yi si ngay mun a tester joueur bi bu baax a baax mooy que li may répété rek club ak équipe nationale c'est totalement différent